li ngeen gis moy mooy euh, kat yi nga xamanteni ño ñoo ci syndicat bi nek ci yone di euh ñew tay pour manifester woné suñu jaxlé jaxlé biñu am ci nguuru Sénégal euh, bu ngeen fàttalikoo jamono yele passé yëpp de ngeen jafé euh, jafé yi amone ci auto attekaay yi kat yi nekkoon ak yone ak ak gouvernement bi di liggéey ci ay pexé ay réforme yu ñu wara mettre en œuvre pour que problème yi jafé jafé yi wàññeeku mais liñu gis moy biñu ñu ci lolu ba teunk ay ay accord ci protocole d'accord ñu signé ko ñun ñep gouvernement bi tambali mise en œuvre bi euh tambali fay 40 yi nga xamné mom lañu la ñu inscrire woon ci protocole bobu ci fin du mois bi passé dañu jékki-jékki leen di dem di def suivi gis ñu ñu retirer xaliss bobu gis euh, donc ñu gis né gouvernement bi respecté wul euh, engagement yi mu jëlone ñu bëgg wax sénégalais yi ne liggéey kat yi nekk ci ëttu àttekaay yi jatu nañu.

tënk nañu waxtaan nañu tënk nañu ay accord gouvernement bi respecté wu ko accord yi mi ngi porté woon ci euh, projet de statut yi nga xam ne ñooy permettre travailleurs ñu am plan de carrière bu ngeen ko seetloo da ngeen daan gis liggéeykat bu nekk ci ëttu attekaay yi di liggéey pendant 30 ans te fi mu nekk mënu faa bouger léeg-léeg ngeen di gis ay greffier di démissionner di dem ci yeneen secteur de l' administration parce que mënuñoo avancer cadre bi loolu moo taxoon ñu indi réforme statutaire yooyu mais dafa amoon lu ñuy tuddee également des réformes indemnitaires des décisions yo xamné dafa waroon euh gëna baaxal gëna gëna améliorer payor yi nga xamante ni liggéey ci ëttu attikaay yi am nañ ko may wax sax né payor yoy néew na néewaay boo xam ne ëpp na sax wax ci ci jotaay bu melni liñu bëgg wax dal moy liñu ñu ak gouvernement bi ba tënk ko ci protocole d'accord ñu signé ko ñun ñëpp ak ñom loolu lañu sam lañuy sakku pour ñu respecter ko té gouvernement bi woné na de la mauvaise foi mu ne na de la mauvaise volonté parce que dafa tambali loolu ba paré ba ñu gis ko ci suñu ay bulletin ñu dem dindi ko ñuy wax sommes né ci république lañ nek bu fekkenté que ñi ñu wax nit ñi nous ñu nous ko ko fayé bor ça veut dire que nous jëm en tout cas li ma bëgg wax mbur mu dans des termes simples moy que travaille de la justice taxaw nañ tém sur toute l'étendue du Sénégal bu ngeen fa pour manifester ne égg nañ fo xamné fi taxaw ak nguur gi ci nañ pour def ko ministère de la justice wax parce que ministère ministre de la justice li wara ñëk nek taxawayam moy topoto jafé jafé justice topoto jafé jafé jafe kat yi nek ci ëttu àtteekaay yi mais li ñu gis moy def ñoo sofantal amul taxaway bi nga xamne mom la waroon am ñuy ñukoy wax rek neko nak c'est sa raison d'être lolu mom moy sañ loolu mooy coobare bi ko tànnee won lolu taxon ñu tànn ko suko deful nak wàcc na li li ko li mu ak administration de la justice ñukoy wax ne taxaw nañ tém pour exiger que suñu ay droit ñu respecté ko engagement yi état bi Sénégal jël na ko respecté parce que actuellement sitting marche nationale grève illimitée Les travailleurs de la justice regroupés au sein du Surgis ont décidé d'observer un sitting, un arrêt de travail de 2 heures de temps, de 9h30 à 11h30 sur toute l'étendue du territoire. C'est un acte syndical que nous avons posé pour manifester notre courroux face à ce comportement inqualifiable du gouvernement du Sénégal les travailleurs de la justice et le gouvernement du Sénégal avaient entamé un processus euh, visant à mettre en œuvre des réformes statutaires et indemnitaires depuis presque quelques années. Alors, nous avons, nous, sommes, nous avons travaillé d'arrache-pied pendant longtemps et nous sommes parvenus à un protocole d'accord. Un protocole d'accord signé entre le gouvernement du Sénégal et le syndicat des travailleurs de la justice. Alors, la mise en œuvre de ce protocole a été entamée. Et à notre grande surprise, le lundi dernier, en procédant à des actes de suivi, nous nous sommes rendus compte que les augmentations de 40% qui étaient inscrites sur les bulletins ont été retirées. C'est un acte inqualifiable et inacceptable dans une république. Et ce qui est malheureux, c'est que nous avons tout fait, nous avons travaillé pendant des années pour que le pacte de stabilité euh, auquel nous aspirons tous devienne une réalité. Mais malheureusement, vous conviendrez avec nous qu'il est impossible dans un État où le gouvernement se donne la liberté de ne pas respecter ses engagements, qu'on en arrive à cette stabilité tant attendue par les Sénégalais. Ce que nous voulons dire, c'est que tous les travailleurs de la justice sont debout comme un seul homme pour défendre l'administration de la justice. nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Le gouvernement a déroulé énormément de programmes, mais vous vous rendrez compte que tous ces programmes sont restés sans effet conséquent dans la qualité du service public de la justice parce que ceux qui doivent les porter ont toujours été laissés à la périphérie, notamment les travailleurs de la justice. C'est pourquoi nous avons estimé devoir apporter notre contribution dans cet effort de construction d'une administration de la justice efficace et c'est pourquoi nous avions envisagé ces réformes. Ces réformes visaient à offrir aux travailleurs de la justice un plan de carrière cohérent et une rémunération décente et des conditions de travail correctes. Aujourd'hui, faites un tour pendant que vous y êtes dans les juridictions, vous verrez les conditions dans lesquelles nous exerçons nos différentes responsabilités, mais c'est impossible dans ces conditions d'atteindre ce qu'on appelle les objectifs de performance qu'on s'est fixés. L'accès à la justice, pour lequel d'ailleurs l'État s'est engagé en ouvrant des juridictions un peu partout au Sénégal, euh, la célérité qui est importante pour désengorger nos prisons, qui a été portée par ces réformes qui ont supprimé les cours d'assises pour instituer les chambres criminelles, toutes ces réformes ambitieuses risquent de tomber à l'eau si ceux qui doivent les porter, c'est-à-dire nous les travailleurs, de la justice sommes laissés dans cette situation de précarité. Il faut le dire, le niveau de traitement des travailleurs de la justice frise l'indécence. Et il est grand temps que des correctifs soient apportés. Nous sommes des laissés pour compte. D'ailleurs, j'ai envie de signaler que le déséquilibre dans le traitement des agents de l'État touche certainement tous les fonctionnaires, mais plus particulièrement et décisivement les travailleurs de la justice. Dans la justice, on retrouve des niveaux de rémunération qui frisent l'indécence. Et c'est pourquoi nous n'en parlerons pas ici. Mais ce qui est constant, c'est que le message que nous voulons lancer aux populations sénégalaises, le message que nous voulons délivrer au gouvernement, c'est de lui dire que tous les travailleurs sont debout comme un seul homme pour se battre. Et cette fois-ci, je crois que nous n'allons pas y aller avec le dos de la cuillère. Nous allons euh, y aller avec toute l'énergie nécessaire. Aujourd'hui, les travailleurs se battent avec l'énergie du désespoir. Vous l'aurez remarqué. Parce que ce qui s'est passé, c'est une trahison ça ne s'appelle pas autrement qu'une trahison. Des partis se retrouvent, discutent, arrêtent quelque chose, signent un protocole d'accord, on entame effectivement la mise en œuvre et le gouvernement se donne la liberté de retirer ce qu'il avait mis dans les bulletins, c'est-à-dire les 40% convenus. partis garantes et est-ce qu'elles ont été saisies non, les négociations se sont poursuivies entre, euh, entre les parties concernés. C'était un gentleman agreement. Et dans une république qui marche normalement, il est quand même facile de comprendre que les gens puissent se faire confiance. Mais aujourd'hui, cette confiance est lourdement entachée. C'est pourquoi nous appelons l'État du Sénégal à revenir à l'orthodoxie et à respecter ses engagements. On ne peut pas bâtir une nation dans ces conditions. Les partenaires sociaux, regardez, toutes, les, les entités de l'administration sont en ébullition. Mais parce que nous avons en face un gouvernement qui, euh, qui ne se donne pas la peine nécessaire pour accorder le respect que les travailleurs mérite. En tout cas, nous, ce que nous voulons dire, c'est que la chancellerie, euh, euh, le garde des Sceaux, euh, ne s'est pas investi comme nous sommes en droit de l'attendre. Ils ont pris des engagements, ils ont engagé l'État du Sénégal. Ce n'est pas quand même trop demandé que de demander que ces accords soient respectés. Et nous le décrions ici et nous voulons le porter à l'opinion. Le ministre de la Justice n'accorde pas le crédit nécessaire à nos préoccupations. Et j'avoue que la première charge, la première responsabilité du garde des Sceaux, c'est de s'occuper de la marche, bonne marche des institutions, c'est de s'occuper des problèmes de travail de la justice, avant de s'occuper d'autre chose. Or, ces travailleurs aujourd'hui se considèrent comme des laissés pour compte et c'est une situation inacceptable. Vous le voyez bien, ils sont tous debout sur toute l'étendue du territoire, vous retrouverez la même euh, organisation. Mais quelle est la prochaine étape La prochaine étape, c'est bien entendu la cessation collective du travail il y a une marche qui est prévue, une marche nationale qui est prévue le 12 à Dakar. Mais nous, nous entendons mettre en œuvre tous les droits que nous confère la Constitution pour défendre l'institution judiciaire. Et je dis même que ce combat doit être le combat de tous les Sénégalais. Parce qu'on veut donner l'impression d'une justice qui, est, portée par des hommes irresponsables. C'est cette impression qu'on veut donner. Mais nous, voulons prendre l'opinion à témoin. Le sud juste, les travailleurs de la justice ont, donné ont joué leur partition. Ils ont donné la preuve de leur bonne foi. Parce que chaque fois que nous avons pu euh, euh, concourir à la bonne marche de cette administration, nous l'avons fait. Mais nous avons atteint nos limites. Aujourd'hui, le seul choix qui nous, reste, c'est la grève. Et c'est un droit constitutionnel que nous entendons exercer. Et de grâce, je vais le dire en Wolof, « Ku kher » à combien évaluer ce manque à gagner deux heures d'arrêt de travail dans des juridictions du pays. Ben, c'est un manque à gagner énorme parce que vous savez une une institution une administration comme la justice euh, contribue contribue décisivement à pourvoir les fonds nécessaires à la bonne marche de l'administration de manière générale donc c'est une catastrophe qui est en train de se passer et les gens font comme si de rien n'était encore une fois nous lançons un appel avec en réitérant notre ferme engagement à nous battre cette fois-ci jusqu'au bout et nous appelons l'État à respecter ses engagements. Nous prenons également l'opinion publique sénégalaise à témoin. Ce qui se passe est extrêmement grave et nous sommes décidés cette fois-ci à en découdre jusqu'à la fin pour, pour obtenir le respect des accords.